le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème promotion du compost au Niger, enjeux et défis. Le compost signifie engrais composé. C'est un fertilisant à base de déchets d'origine végétale ou animale. Une fois décomposé par les micro-organismes mélangé et mis en tas, cette matière organique produit un engrais de qualité totalement naturelle qui nourrit vos plantes et les rend plus saines et plus résistantes aux maladies. C'est l'engrais le plus équilibré selon les experts du domaine. Plus vous compostez des éléments différents, plus votre compost sera complet. Il renforce l'aptitude de votre sol à retenir l'eau et des nutriments indispensables à votre plante. Avec nos invités, nous allons voir les enjeux, la nécessité et l'importance de l'utilisation du compost pour l'agriculture. Nous avons donc le plaisir de recevoir au téléphone Pauline Dramana, Elle est vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture de Niamey et présidente de l'ONG AC Niger. Pauline Dramana, bonsoir. Bonsoir. Adamou Ouchebou Madougou de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCM NIA. Adamou Ushebu Madougou, bonsoir. Et Seydou Amadou de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, Inran, Seydou Amadou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Au microphone, Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Pauline, vous qui êtes en ligne. Euh, Pauline, comment votre ONG AC Niger aborde-t-elle les questions liées au compost Peut-être qu'il faudrait faire un peu l'historique de, tout cela, de, notre activité. Il faut dire, euh, depuis 2006, nous avons commencé vraiment à agir dans tout ce qui est les problèmes euh, environnementaux. Comme son nom l'indique, ASE, c'est assainissement pour la sauvegarde de l'environnement. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de voir comment ensemble, quand je dis bien c'est ensemble, nous pouvons vraiment protéger notre environnement. Et toutes les parties de là, à partir de la production de l'environnement, commencer, nous avons commencé avec les, sensibilisations, comment rencontrer avec les femmes et leur dire à un certain moment, euh, ces déchets donc vraiment, on vous dit, il faut vraiment vous en occuper, c'est-à-dire il faut vraiment que vous les dégagiez de, de chez vous. Mais c'est des choses que nous pouvons valoriser ensemble. C'est-à-dire, c'est des déchets qui, une fois vraiment euh, récupérés, une fois triés, on peut vraiment faire beaucoup de choses, que ce soit dans le, dans le domaine du, compostage, que ce soit dans le domaine de la valorisation des déchets plastiques, que ce soit dans d'autres valorisations des, déchets. Donc, tout a commencé là. Donc, en sensibilisant ces femmes-là, à un certain moment, il ne faudrait pas parler seulement, mais il faudrait agir. Donc, avec la commune euh, Niamey 1 ici, avec euh, le maire qui était vraiment disponible. Donc, on a commencé vraiment quelque chose. Ils nous ont donné une place au niveau de la carrière pour dire, madame, vous nous parlez de ceci, mais voilà. Je leur ai dit, donnez-nous seulement une place et nous, on va vous démontrer ce que nous pouvons faire avec ces ordures-là. Donc, c'est comme ça, avec une petite équipe, équipe de, trois éléments, comme je le dis, avec euh, un expert en agronomie, donc on avait commencé comme ça. Et euh, c'est avec, comme ça que nous avons commencé. Trier et puis euh, valoriser, faire le, compost, tout cela. Et les gens nous regardaient de haut. Mais c'est quoi ces, gens-là qui sont dans les ordures en train de, trier Parce que c'était différent des autres qui triaient, cherchaient leur bouteille ou bien leur euh, fer et partaient. Nous, on restait là. Et ils ont vu vraiment la chaîne de l'activité qu'on était en train de faire. Euh, ce qui était impressionnant, c'est que là où on était au niveau de la décharge, tout devenait propre. Parce qu'on récupérait l'organique et tout ce qui était vert et, et, autres, on, on, remblait en même temps les trous qui, étaient autour de nous. De sorte que l'endroit, quand vous venez, on dirait même pas que c'est une décharge. Donc, tout a commencé là. Et au niveau de la, de la CRS, ils sont venus voir. Ils ont dit, ah, on va voir ce qui se passe là. Et ils ont pris le compost pour aller euh, vraiment euh, euh, travailler. Mais bien avant cela, on avait vraiment des grands collaborateurs comme Inran et Ecrisat, à qui nous avons envoyé notre compost pour analyse, pour leur dire, il faut nous dire, est-ce que ce que nous sommes en train de faire là est vraiment bien Et c'est comme ça qu'à un certain moment, ils nous ont dit, vraiment, c'est bon, c'est vraiment votre compost là, ça concorde vraiment aux normes vraiment internationales. Donc, vous pouvez vraiment vulgariser cela. Alors, euh, Pauline euh, Draman, quel est le processus de fabrication du compost Le processus de, fabrication de compost, la manière dont nous, essayons de vulgariser, que nous vulgarisons même, c'est euh, la manière aérienne. Il y a compost en force et puis le compost vraiment aérien. Donc, le compost aérien, comment nous faisons Dans un premier temps, nous invitons en tout cas tous ceux-là à chercher la matière première, les matières premières et la grande matière que vraiment que nous disons aux gens de chercher, c'était d'abord les ordures que tous les villageois, que toutes les villes ont en grande quantité. Et c'est comme ça que nous les invitons. Ces ordures-là, vous pouvez les trier, hein, à tout ce qui n'est pas décomposable, à lever tout cela. Et vous gardez le terreau. Et vous gardez tout ce qui est, et les autres matières vraiment qui sont décomposables, qui sont vraiment organiques, que vous pouvez vraiment, euh, vous savez que vous-même, ça peut vraiment enrichir votre sol. Et à part cela, vous essayez de chercher le fumier, le fumier simple, et la paille, les feuilles d'arbres. Nous, on a dit tout ce que vous avez vraiment de disponible au niveau de votre village. Euh, je viens de dire, il y a la fiente, qui est vraiment un élément très, très essentiel parce que très riche quand on la vient analyser que ce soit en utilisant ou en innovant, on a trouvé que c'est vraiment un élément très très riche, une matière première très riche, qui vraiment la matière à elle seule même peut vraiment amender les sols, parce qu'il y a tout dedans. Donc nous avons euh, le fumier dont, je vous ai parlé, on a tout analysé, que ce soit les, feuilles, tout, la jacinthe d'eau, en tout cas tout ce que vous avez à votre disposition, essayez de les analyser. Si tous ces éléments-là sont prêts, maintenant on commence. Généralement, on leur dit, on commence par mettre le, le en bas, hein, c'est-à-dire vous arrangez bien votre endroit, et quand c'est bien, bien arrangé. Et maintenant, euh, on commence euh, la superposition de ces, de ces différentes matières. Et quand tout c'est fait, maintenant, on leur dit c'est comme un peu vous faites euh, pour la fabrication, comment, quand on fait le mélange d'argile. Et quand tu dis ça à un paysan, il comprend tout de suite. Donc vous mettez, vous, vous ouvrez cela, et maintenant vous mettez de l'eau, pour qu'il y ait vraiment de l'eau en grande quantité et vous commencez le mélange. Comme on mélange l'argile ou comme on mélange le ciment. Donc quand tout est bien mélangé maintenant, maintenant on cherche, euh, on ouvre encore, souvent on a dit d'ouvrir un peu un trou en haut, on met de l'eau et maintenant on cherche un sachet plastique qu'on recouvre avec. Et puis, mais on veut nécessairement une fois que ce soit à l'ombre des d'un arbre ou bien que ce soit, en tout cas, pour que vraiment euh, le soleil, souvent c'est très chaud et ça ne permet pas euh, aux éléments de se décomposer. Donc on recouvre avec le plastique. Souvent sur le plastique, on fait un peu de, tout pour que euh, ça ne soit pas un peu, le compost ne soit pas pâteux. Donc c'est comme ça que nous essayons de faire. Donc quand c'est fait, c'est bien fait, on, on ferme. Dans une semaine, ils ouvrent pour voir un peu s'il n'y a pas suffisamment d'eau. Donc, s'il n'y a vraiment pas suffisamment d'eau, ils, ajoutent, ils augmentent à de l'eau, ils mélangent, ils reprennent encore le mélange, et puis c'est comme ça. Euh, le processus là, euh, quand nous avons expérimenté, en 21 jours, le compost est mûr. Maximum un mois, c'est OK. Le compost vraiment est utilisable. Et là, vous pouvez vraiment l'utiliser sur euh, toutes euh, vos places. Merci, Pauline. Restez en ligne, le temps de donner la parole ici au studio à Seydou Amadou de l'INRA. Euh, Seydou Amadou, dans la plupart des pays sahéliens comme le Niger, les sols subissent des pertes élevées en éléments nutritifs, particulièrement en sels minéraux, azote, phosphore et potassium, dû à sa surexploitation par les paysans, mais aussi aux phénomènes naturels tels que les vents, pluie, etc. Euh, ces pertes entraînent la pauvreté des sols qui est à l'origine des faibles rendements agricoles, même en cas euh, de pluviométrie abondante. Comment promouvoir l'utilisation du compost au Niger, Seydou Amadou euh, Bonsoir, monsieur, et merci pour l'opportunité que vous me donnez à m'adresser par rapport à la question et de la promotion du compost euh, qui est une question très pertinente et très importante vu le contexte du Niger. Donc euh, si nous regardons euh, la promotion du, compost, comment ça devrait se faire D'abord, il faut comprendre que dans le contexte du Niger, les sols subissent, comme ce que vous avez dit, des, pertes suite à l'utilisation excessive, c'est-à-dire à la monoculture. Et cette monoculture, elle n'est pas contrôlée et du fait que ce n'est pas contrôlé, c'est la même culture qu'on apporte chaque année et ça contribue donc euh, à, la, réduction drastique des fertilisants, c'est-à-dire des, éléments nutritifs du sol. Donc, euh, comment faire la promotion Pour faire la promotion, je pense qu'il faut essayer d'abord de voir euh, comment amener les, producteurs à comprendre ce que c'est le compost lui-même et aussi à comprendre son importance. Euh, au niveau sur la production agricole et sur le plan environnemental et aussi sur le plan économique. Donc, si nous prenons sur le plan euh, environnemental, euh, le compost tel qu'il est, il n'a aucun effet sur l'environnement. Et dans la dynamique actuelle, on parle toujours de la sauvegarde de l'environnement. Utiliser le compost veut dire réduire la, la, dégradation de l'environnement. Donc, cela va permettre au sol, et de, ça va permettre l'aération du sol, par exemple. Ça va aussi permettre au sol de retenir beaucoup de l'eau. Et ça va aussi faciliter la filtration de l'eau. Donc, euh, si vous prenez par exemple le cas où les, les sols sont euh, c'est-à-dire par l'utilisation excessive, les sols sont, sont très durs, si on arrive à appliquer le compost, ça va faire de sorte que ces sols-là vont devenir légers et ça va faciliter les activités biologiques dans ce type de sol. Donc euh, la promotion, ça devrait d'abord passer par la sensibilisation. Donc il faut d'abord sensibiliser euh, les producteurs. Expérimenter, faire des champs écoles. Euh, ça c'est un. Donc il faut d'abord faire la sensibilisation. Donc, avec la sensibilisation, essayez maintenant de procéder à des expérimentations. Donc, les expérimentations-là peuvent se passer à travers des, des, des chaînes écoles euh, des producteurs. Et ça peut aussi, euh, même lui, ça peut aussi se faire à travers la, la recherche c'est-à-dire euh, mettre des champs d'expérimentation et permettre aux producteurs pilotes de, venir voir comment ça, l'importance de l'utilisation du compost. Parce que si vous prenez, par exemple, l'utilisation de, des engrais chimiques, que l'on cherche toujours à, minimiser, parce qu'on ne peut pas éviter l'utilisation euh, des engrais chimiques. Euh, on peut, on peut minimiser ça. Les engrais chimiques, l'utilisation, leur utilisation excessive a un impact, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la production, c'est-à-dire la qualité de la production. Euh, si vous prenez certains produits, chaque fois on disait que produit, les produits ont perdu leur goût. Mm. Et on cherche à savoir, justement, justement, on cherche à savoir pourquoi les produits ont perdu leur, leur goût là. Donc les gens ne, sont pas, ne savent pas que c'est il y a l'utilisation excessive. de ces composts-là, les nitrates, ça affecte le goût de, le, goût de certains produits. Donc, à part ça aussi, il y a certains produits, par exemple, si vous prenez eh, pour la conservation, là aussi, les engrais chimiques ont un impact par rapport à la conservation des produits. Donc ça, ça, accélère la décomposition de ces produits-là pendant la conservation. Et aussi, si vous prenez toujours par rapport à, à l'utilisation, on veut de sorte que les producteurs réduisent l'utilisation de ces engrais chimiques au profit du compost. Donc, ou bien essayer de faire l'utilisation des engrais chimiques avec le compost, toujours pour essayer de faire la sécurisation de l'environnement. Donc l'utilisation excessive de... On, peut utiliser les deux... on peut, on peut utiliser les deux, les deux, apports nutritifs. Effectivement, on peut faire les deux apports nutritifs. Ça, ça va, ça va, ça va toujours euh, apporter un plus pour la fertilité la fertilité du sol. Donc, euh, je disais que si vous prenez aussi sur le plan économique l'importance du, du, compostage ou de l'utilisation du compost, la plupart des matériaux utilisés pour le compost sont disponibles et sont partout. Donc le producteur n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Vous voulez dire, que les décharges, qui sont un les, ordures ménagères, les, ordures ménagères, même le fumier que l'on a annexé chez soi, on peut utiliser ça pour pour faire le, le, compost. Seydou Amadou, on parle aussi du compost aérien fabriqué à base des ordures ménagères en 21 jours. Comment ça se passe dans la pratique Donc, le, le compost aérien, c'est que comme c'est que Pauline, vient, de, décrire. le décrire, effectivement, c'est une technique rapide de, fabrication du compost. Parce que ce qu'on sait, le compost, des fois, quand on le fabrique, ça peut, on peut, euh, ça peut prendre 3, 4, voire 5 mois même. Et maintenant, lui, le maraîcher, il ne peut pas attendre, attendre. 5 mois pour, essayer, pour faire le compost. Donc, on a développé des techniques qui sont plus rapides pour faire ce compost-là. Donc, avant, il y a, les, parmi les techniques du compostage, il y a, la technique du, compost à fosse unique. Et il y a aussi l'autre technique qui consiste à faire des, des fosses multiples toujours pour la production du compost. Et aussi, il y a cette méthode qui a été récemment développée, dont on a beaucoup travaillé là-dessus avec, euh, avec euh, Madame Pauline. Donc, euh, comment ça se passe C'est des matériaux qu'on utilise qui sont facilement dégradables. C'est-à-dire on n'utilise pas tout ce, qui, est ligneux. <clears throat> tout ce qui est ligneux, on ne l'utilise pas. Par exemple, on n'utilise pas les tiges qui sont trop dures. Même les, les, les, les branchages, si c'est trop dur, on ne les utilise pas. Donc c'est plutôt les, feuilles, les feuilles mortes et les, déchets des, animaux et même des, les déchets, euh, les, comment les appeler, les cadavres des petits animaux comme les rats et les, les, les, les comment les appeler les, intestins de, certains, de certains animaux aussi, on peut les utiliser. Il y a aussi, tout ce qui, tout ce qui peut se décomposer en un corps. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour se décomposer. On, amène tous ces éléments-là. Donc, on amène le, fumier de parc. On amène, si c'est le fumier de gros ou de petits ruminants ou même les, fientes de volailles. Ensuite, on amène les, les, feuillages, les feuilles. Et on amène aussi et, d'autres les odeurs ménagers et on les mélange. Donc euh, une fois mélangé on, on, va s'assurer qu'il y, y a, assez d'eau. On a bien et, mis de l'eau dedans pour que la fermentation et, euh, se, se, produise. Parce que si euh, il n'y a, a, pas assez d'eau, il n'y aurait pas la fermentation. Et comme la fermentation est aérobique. Donc une fois qu'on a mélangé, bien mélangé tous ces éléments-là, on ferme avec, euh, avec euh, le, plastique et maintenant on prend soin de trier les, les plastiques là. Donc une fois qu'on a, on a fini, on a fermé les plastiques, maintenant on laisse pendant un certain temps. Donc ça veut dire que même les paysans peuvent, les paysans, peuvent fabriquer le compost les, paysans, les paysans peuvent fabriquer le, compost aérien et surtout, et surtout les maraîchers. Parce que c'est quelque chose que l'on peut produire euh, en un ou deux mois en un ou deux mois. Donc, si vous avez déjà préparé ça, donc vous pouvez chaque, chaque semaine ou bien chaque 15 jours venir essayer de retourner ça. Et en retournant, maintenant, on augmente de l'eau pour toujours accélérer la fermentation. Alors, Seydou Amadou, il faut dire que le compost est utilisé euh, non seulement comme fertilisant naturel, mais aussi comme produit phytosanitaire du fait euh, de sa richesse. les paysans nigériens sont-ils conscients de tous ces avantages-là Oui, effectivement, je suis sûr que euh, y a beaucoup de producteurs qui ne savent pas que le compost peut être utilisé aussi pour lutter contre certaines, certaines maladies, certains, ennemis de, certains ennemis de culture. Parce que qu'est-ce qui se passe La plupart des producteurs, ils utilisent le fumier brut. Ils utilisent le fumier brut et ils apportent de l'argent. Donc, quand ils apportent le fumier brut là, il se pourrait que il y a des, y a des, des semences que les animaux ont mangées, mais que le séjour dans l'estomac n'a pas permis de décomposer ces semences-là. Il y a aussi des, euh, comment les appeler Il y a aussi des des, des œufs, des œufs, des, des, bactéries qui se trouvaient toujours dans le, dans le fumet là. Donc quand le processus de décomposition va commencer, qu'est-ce qui va se passer Tous ces éléments-là, c'est-à-dire les, les, les, semences de mauvaises herbes que l'animal a mangées, ça ne va pas se décomposer. Quand on fait l'application directe, sans passer par le compostage, ça ne va pas se décomposer. Donc ça va, ça va sortir. Dès que ça germe, donc ça sera une source encore d'infestation des mauvaises herbes. Et maintenant, il y a aussi des, champignons qui peuvent se développer grâce à l'utilisation de ce, de, ce fumier brut-là. À part ça, il y a aussi les bactéries qui peuvent être nuisibles à, à, la, culture. Donc pour cela, nous, conseillons les producteurs à faire le compostage parce que ça va permettre à ce que les, les œufs-là des bactéries les, les, semences qui se trouvaient toujours dans, euh, dans, le, dans le fumier là, ça va se décomposer. Et si ça, ça, se décompose, donc on utilise, on aura le compost qui est mûr et qui, n'a aucun impact sur la production, euh, sur les, les, les, les, plants et aussi ça ne va pas beaucoup nuire, ça ne va même pas nuire donc euh, au sol. Adamou Madougou. à l'heure où euh, les engrais chimiques sont de plus en plus chers sur le marché et difficiles à accueillir par les paysans, à l'heure où les terres agricoles sont de plus en plus euh, pauvres, il y a nécessité de l'orienter vers d'autres formes de fertilisation des sols moins coûteuses, accessibles par le paysan tel que le compost. La Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCM, un NIA euh, euh, que vous représentez est-elle dans cette dynamique Bonsoir. Donc, je tiens à vous remercier pour cette occasion que vous m'offrez à parler sur euh, la promotion du compost et également remercier ces, ces initiatives que vous êtes en train de mettre en place pour faire la promotion du compost. Donc, la Fédération des coopératives maraîchères du Niger FCMNIA, en tant qu'une organisation des producteurs maraîchers, œuvre beaucoup dans la production de compost. Comme vous venez de le dire, que les terres sont pauvres, les terres sont lessivées, donc il y a une grande nécessité de retourner à l'utilisation du compost pour euh, euh, rendre fertile les sols agricoles. Donc à cet effet, la FCMNIA euh, œuvre beaucoup de la formation des producteurs maraîchers sur l'utilisation du, compost. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que eh, dans le maraîchage, on utilise excessivement des, fertilisants. Donc, c'est pour cela qu'on fait vraiment la promotion des, eh, du compost au niveau des, eh, de nos producteurs membres de la FCMNIA. Donc, nos producteurs sont toujours formés sur la production du compost, la sensibilisation sur l'utilisation du compost, l'importance du compost dans le maraîchage. Donc à cet effet, la FCMNIA a formé pas mal de producteurs sur la production du compost. Donc la FCMNIA est en train de s'orienter vers une unité économique même de la production du compost, puisqu'elle met en place des plateformes de compostage. Donc, c'est quoi les plateformes de compostage C'est des plateformes qui permettent de produire une grande quantité de compost. Donc, euh, on montre aux producteurs comment utiliser ce compost au niveau des cultures et également, comme on produit une grande quantité de compost, une partie du compost est utilisée pour le maraîchage et une partie est ...eux vendent donc aux autres producteurs. Est-ce que ça s'achète, les paysans achètent Les paysans achètent beaucoup, beaucoup, puisqu'on fait des, de l'expérimentation au niveau des jardins. Voilà, on fait des champs écoles. On montre, voilà, les cultures qui ont été fertilisées avec du compost et ceux qui n'ont pas été euh, fertilisés avec du compost pour voir la différence. Donc, les producteurs eux-mêmes, ils sont en train de comprendre, voilà, l'utilité du compost. Puisque non seulement le compost on utilise, ça retient de l'eau. Comme le compost, il joue euh, un, rôle de régulateur. un rôle de régulateur. Ou bien, c'est comme une, une éponge, puisque le compost, lui, il nourrit la plante au fur et à mesure. Tandis que bon, l'engrais chimique, quand on l'utilise, bon, une partie va être utilisée par la plante et une partie va être lessivée et polier voilà, les l'environnement. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train d'expliquer aux producteurs. Voilà l'utilité de ce compost. Et ça permet de lutter contre beaucoup de maladies. Comme mon prédécesseur vient de le dire, si on utilise par exemple euh, du fumier frais, donc il y a des jeux de bactéries, il y a des maladies, mais si c'est composté, toutes ces maladies-là, tous les oeufs-là vont être décomposés et qu'on utilise au sol, et eh, on va produire des produits maraîchers sains. Bio. Bio. Comme, on bio, dit. <laughs> bio, comme on le dit. Donc la FCMNI a vraiment fait la promotion et forme beaucoup de producteurs sur l'utilisation de compost. Adamou le compostage et l'épandage du fumier sont des technologies traditionnelles euh, qui sont euh, souvent réintroduites euh, sous une forme améliorée grâce à des projets, comme vous voulez de, le dire. Quels sont les enjeux du Niger pour la promotion et la vulgarisation des fertilisants organiques au Niger hmm. D'accord. En ce qui concerne les engrais, donc les engrais chimiques, on sait que les engrais chimiques, une utilisation excessive des engrais chimiques détruit les sols agricoles, pollue les sols, lessive les sols. Voilà. Donc, euh, l'utilisation du compost permettra de rendre durable les sols, fertiliser toujours les sols et l'utilisation du compost n'est jamais trop, quelle que soit la quantité apportée, bien qu'il y a des normes qu'on applique, mais quelle que soit la quantité apportée au sol, le sol peut, supporter, les cultures peuvent supporter. Par, contrairement aux engrais quand on utilise, une quantité excessive de l'engrais, peut-être, bon, ça va même brûler les cultures, voilà. Mais pour le compost, non. Donc, à euh, euh, c'est pour cela, on fait toujours l'important de faire la promotion et, du compost et de montrer vraiment aux producteurs l'importance du compost sur même la production des produits agricoles sains qui n'usent pas à la santé humaine. Nous savons que les actions de la plupart des associations se limitent euh, uniquement euh, aux alentours euh, de la capitale. Est-ce que les actions du FCM NIA sont présentes un peu partout au Niger En tout cas, les actions de, la FCM NIA sont, sont présentes partout partout au Niger, je vais dire, puisque dans les structurations de la FCM NIA, et FCM est partout. Donc au niveau de chaque région, il y a une coordination régionale qui est là, qui forme les producteurs sur toutes les techniques de production du compost. Donc la FCMNIA ne se limite pas seulement à Niamey. La FCMNIA est partout. Dans toutes les régions, il y a des coordinations techniques qui assurent la formation de nos producteurs sur l'utilisation du compost et, et la promotion. Pauline Draman, actuellement, quelles sont les difficultés liées à la fabrication du compost voilà, merci, vraiment merci. Donc, euh, je viens d'écouter euh, le chercheur de l'INRA et puis je viens d'écouter également euh, le maraîcher. ce que je voudrais dire avant de revenir à votre question, c'est par rapport à ce que FMIA vient de dire. Pour vous dire qu'au niveau de Niamey même, nous développons maintenant la culture bio. Et au niveau du Sahel, qui vient de se passer là, on a même gagné un grand prix, c'est-à-dire CRA, FMIA, et puis accompagné par RECA. Donc pour vous dire, aujourd'hui, vraiment, tout le monde va vers euh, l'utilisation du compost, en tout cas de l'engrais, des engrais organiques, pour vraiment avoir le bio. Je pense que tout ce qui est chimique, tout ce qui est vraiment euh, minéraux, ils ont vraiment fait leur, euh, leur euh, ils ont vraiment fait, ils ont montré leurs limites. Et là, c'est de voir euh, ensemble comment nous pouvons vraiment faire cette promotion du compost. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons vous dire que la première des choses, c'est la communication. Et c'est pour ça que hier vous disiez ah, la disponibilité pour communiquer. Nous vraiment, on est, je suis vraiment prête pour cela, pour que les gens puissent comprendre ce que c'est que le compost, que les gens puissent comprendre l'utilisation. Et tout à l'heure, vous avez entendu ce que le chercheur de l'UNOA a dit. Il faut nécessairement sensibiliser les gens. Parce que tant que les gens ne sont pas sensibilisés, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Regardez aujourd'hui, si on dit que l'engrais chimique a échoué, l'utilisation en tout cas de l'engrais chimique est utilisé, a échoué au Niger, c'est parce que la communication a été vraiment très très insuffisante. Si vraiment les gens eh, savaient à quoi s'y attendre, avec les engrais chimiques, on ne serait pas là. Mais aujourd'hui, avec le compostage, nous, je vous dis sincèrement, depuis 2009, ça fait pratiquement 11 ans aujourd'hui, nous sommes en train de crier partout. Quand je dis crier partout, ça veut dire qu'au niveau bien de la télévision que des radios, pour dire aux producteurs, pour dire aux Nigériens, revenons au compostage, parce que vous venez de le dire tout à l'heure, c'est une pratique ancienne. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, tout ce que nous voulons aujourd'hui, tout ce que nous voulons, nous cherchons aujourd'hui, c'est d'améliorer la manière de faire. Avant, on apportait tout directement. Le, fumier brut, euh, les ordures, on les transportait directement au champ. Et quand je forme les gens, entre parenthèses, nous avons formé les producteurs de, de jusqu'à Gadez, avec l'apport de nos, partenaires et avec accompagné du ministère de l'Agriculture et de l'INRA, pour vous dire que Partout où on passait, c'est ça qu'on disait aujourd'hui. essayons vraiment de, la fabrication du compost, vraiment comment l'utiliser, tout cela. Mais il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, ça reste encore insuffisant. Tout ce que nous avons eu à faire, vraiment, c'est insuffisant. Donc aujourd'hui, c'est la communication, c'est la sensibilisation pour que le, le producteur, c'est la conscientisation, je veux dire, pour que le producteur puisse se dire aujourd'hui ce que j'ai à faire c'est le compostage. Je peux le faire moi-même. Et chaque fois, moi, au cours de toutes ces formations-là, je, rappelle le producteur, tu peux le faire. C'est une question de volonté. Avec la volonté, on peut tout faire. souvent, c'est la volonté qui manque, souvent c'est la démotivation, mais avec la formation et la sensibilisation et la conscientisation, les gens vont y revenir. Donc, comme je l'ai dit, notre premier problème aujourd'hui, c'est un problème de communication. Pauline Draman, euh, comment la filière du compostage euh, peut-elle euh, contribuer à la création de richesses, d'emplois et même à l'autosuffisance alimentaire et quand vous, vous, lisez tout ce que nous avons, faire, nous avons eu à faire, que ce soit nos dépliants, que ce soit dans nos formations, on est toujours revenu dessus. Aujourd'hui, le, compost, le compostage. Regardez, Aujourd'hui, nous, nous autres qui sommes à Niamey ou à l'intérieur du pays, partout nous passons, à cette mobilisation des jeunes et des femmes. Mais ça, c'est la création d'emplois. Hein? Avec les jeunes là, aujourd'hui, quand vous voyez ces femmes avec lesquelles nous, travaillons, mais elles vont faire leur témoignage. Le fait même de venir travailler, aujourd'hui là, je vous l'ai dit, ces femmes là, aujourd'hui, quand elles voient hein? une, quand elles voient un dépôt d'ordure, elle ne dépasse pas le, dépôt. Il faut qu'elle fouille ce, euh, dépôt pour voir ce qu'elle peut avoir comme, comme, comme, comme, pour pouvoir vraiment aller vendre, pour vraiment améliorer déjà ce qu'elles sont en train de faire. Et plus que cela, je vais vous dire, ça nous sommes en train de parler de euh, la création d'emplois. Euh, il y a, en, 2017, on était à Abuja pour une rencontre des parlementaires de l'Afrique. Et on nous a demandé de parler de ce que nous sommes en train de faire, euh, le compostage, la valorisation des déchets. Je vous dis, euh, euh, le séminaire portait sur les ODD, les objectifs de développement durable, qui sont au nombre de 17. Et je vous dis, sur les 17 là, chaque fois je reviens dessus, sur les 17, les 15, on les retrouvait dedans. On les retrouvait dans les 17 objectifs du développement durable. Pourtant, c'est une activité que nous pouvons peut-être traiter de banale, mais dans lesquels l'Afrique s'y retrouve. Qu'est-ce que je veux dire par là Tout à l'heure, vous avez parlé de la création d'emplois. Mais moi, je prends un exemple très simple. Euh, quand nous avons élaboré le grand projet pour la création euh, des, sites de compostage à travers les huit régions, je vous dis banalement, euh, comment, emploi, création d'emplois, on créé tout de suite plus de 1000 emplois j'ai dit tout de suite, hein, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails. Parce que le compostage a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois et, euh, et de membres et des gens qui sont non seulement directs et des indirects. Donc tout cela, sans les compter, directement, je veux dire, 1000 emplois pratiquement dans chaque région. Merci Pauline, on va revenir vers vous le temps de donner la parole à Seydou Amadou. Euh, Seydou Amadou, quels sont vos partenaires dans le cadre de la promotion, euh, de la vulgarisation et de l'utilisation de l'engrais organique au Niger rapidement oh, Merci beaucoup. Donc euh, si je parle rapidement, les, partenaires, c'est d'abord l'État à travers les services déconcentrés à l'intérieur du pays. Et il y a aussi le RECA à travers les, chambres régionales de l'agriculture qui sont implantées partout dans les huit régions du Niger. Et il y a aussi les, les, les, coopératives comme FC il y a les organisations paysannes et il y a aussi les projets et donc, qui accompagnent dans la vulgarisation de la promotion surtout du, du compost. Alors, euh, c'est nous. Euh, la, la microfertilisation a été développée euh, par la recherche appliquée participative pour une utilisation à petite échelle. Y a-t-il d'autres effets contraires ou indésirables liés à l'utilisation de la microfertilisation Donc, la, la microfertilisation, si je comprends, si c'est la microdose, en fait, c'est pour permettre aux producteurs de comprendre que pour fertiliser un sol, on n'a pas besoin d'utilisation excessive de l'engrais qu'on a développé ça. C'est-à-dire si c'est de l'engrais qu'on utilise. Donc ça permettrait de mettre juste la quantité qu'il faut et à la place qu'il faut afin d'éviter le gaspillage. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté Un producteur qui achète, par exemple, un sac d'engrais et au lieu de l'utiliser sur, sur, sur, un hectare, par exemple, il peut l'utiliser sur une superficie de 0,25 hectare. Donc non seulement il va contribué à la dégradation de son sol et sur le plan économique encore, elle a beaucoup perdu. Alors que avec cette microdose-là, c'est une petite quantité qu'on va mettre directement au niveau des poquets. Et la quantité qui est mise, elle est directement utilisée par les plantes. Par contre, si c'est à la volée qu'on avait mis, donc une bonne partie de ce qu'on va mettre, ça va, ça va, ça va, ça va partir comme ça. Et en même temps, ça va nuire aussi à l'environnement. Maintenant, la microdose encore quand il s'agit de l'utilisation du, compost, là aussi, c'est une technique qui va permettre au producteur d'économiser son compost. Euh, c'est-à-dire de, de, faire de sorte qu'il va essayer de mettre ça pour une grande superficie que de venir gaspiller. Parce que la plante a quelque chose que nous, peut-être, on ne comprend pas. La plante, elle a un besoin et elle prend juste ce qu'elle a besoin. Donc, tout ce qu'elle n'a pas besoin, elle le laisse comme ça. Donc, si par exemple elle a besoin de, 2 grammes de nutriments, elle va prendre les 2 grammes de nutriments. Maintenant, si vous appliquez 5 grammes, les 3 grammes seront perdus. Et non seulement ça sera perdu, mais aussi ça va affecter et la qualité de l'environnement. S'il y a des sources d'eau, ça va polluer les sources d'eau et aussi ça va créer à un certain moment l'acidité du sol. Bien que, comme c'est que l'autre a dit, quand il s'agit de l'utilisation de compost, vraiment il n'y a pas de souci. Donc, quelle qu'en soit la quantité de compost qu'on va mettre, ça va rester comme tel. Ça ne va pas détruire le sol, mais par contre, ça va davantage améliorer la, la, la structure du sol. Euh, Adamou Chebou Madougou, quelle est votre contribution en tant que structure du domaine et quelle est la contribution des ONG et associations pour la promotion du compost au Niger rapidement hmm, D'accord. Très rapidement, donc notre contribution est pour la promotion euh, du compost, donc euh, on produit énormément de compost en grande quantité avec les producteurs et on fait la vulgarisation de ce compost-là à travers des foires euh, en 2017-18, on a organisé une grande foire qu'on a appelée Foire Découverte Compost à l'inran donc pour faire la promotion du compost aux producteurs. Et ce compost-là a été bien analysé à l'INRA pour nous donner tous les éléments fertilisants qui contient ce compost. les, gens, les gens, étaient là-bas Oui, les gens, étaient, les gens ont beaucoup participé à cette foire et les gens ont découvert l'importance du compost. Donc, contribution de l'État et contribution des ONG et voilà, les autres euh, membres. Donc, à chaque fois, on part vers la CAIMA, euh, le PROMAP, vers les ONG. On leur montre, voilà, la FCML est en train de produire euh, du compost. Vers l'URECA, toujours, on part pour qu'ils puissent nous aider à, faire la vulgarisation de, de ce compost l'augmentation du réapprovisionnement en éléments nutritifs et le maintien de la fertilité des sols accroissent euh, les rendements des récoltes et ainsi euh, augmente la sécurité alimentaire, améliore les revenus des ménages et par conséquent les moyens de subsistance et du bien-être. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir au téléphone Pauline euh, Draman, vice-présidente présidente de la Chambre régionale d'agriculture de Niamey et présidente euh, de l'ONG AC Niger. Adamou Cheboumadougou de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCM NIA, et Seydou Adamou de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRA. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci aussi à nos techniciens Mustapha Ayouba à côté son et Seyni Isaka à côté vidéo. Merci, au revoir.